Macron ferme les yeux Macron ferme les yeux Macron complice Macron complice Macky Sall assassin Macky Sall assassin dictateur Macky dictateur L'Élysée complice La France complice L'Élysée complice La France complice La France complice La France complice La France complice La France assassin Macky Sall assassin Macky Sall tueur Macky Sall, le dictateur. Macky Sall, le dictateur. L'Élysée complice. L'Élysée complice. L'Élysée complice. France complice. Macky Sall, assassin. L'Élysée complice. L'Élysée complice. On va commencer les prises de parole, chers compatriotes. On va commencer avec M. Bekaï. C'est Bekaï Diop, s'il vous plaît. Bekaï. Bekaï le responsable financier, le trésorier du parti au niveau de la France. Michel, Alphonse Mendy, Alphonse, Alphonse Mendy. Alphonse Mendy est là pour prendre la parole. Le patriote Alphonse Mendy. Alphonse est là. Alphonse est là. Il est là. Faites du bruit pour Alphonse Mendy, s'il vous plaît. Applaudissez. Assalamu alaikum. Malin disait di ziar combat avec Giznani. Quel ne kenn xadiwul ci une victoire mais victoire bu et puis je pense que l'heure n'est pas au bilan l'heure du bilan viendra li ñu war tey mooy lan mooy liñ nekk di def nii mobilisation parce que Sénégal fi mu toll tey xam ngeen ko xam naa ko jarul ma ciy dellu si waat et je pense que belle affaire rek mooy tax ñun ñu am ndam la mobilisation est dire non à tout ce que nous tout ce qu'on nous impose donc ben affaire am muy taw te mu nek sax di taw actuellement di vente di naaj di def lu len bëgg neige ak leneen war nañ que ce soit taifi fii suba feneen war nañ mën toujours en position de combat maa ngi reprendre ben avant, citation wu Fidel Castro Fidel révolutionnaire la xam ngeen ko bu Fidel Castro nous nous amul importance nous avons importance moi que l'histoire nous acquittera et je suis persuadé que l'histoire va nous acquitter parce que fi toutes les manifestations qui nga été faites, ko Sénégal et donc puisque on na écho Sénégal on a fait connaître notre position au niveau de la diaspora et ça veut dire que Sénégal Nous Milieu des dara ils doivent croire ci ñun et c'est ce qui motive justement c'est une action nous donc nous pas monopoliser par parole mais je pense que Thaï, à tous les week-ends qui suivront fi tech ko teg nous nous bouger centimètre jusqu'à ce que nous arrivons arriver à une à une victoire finale La victoire finale bi tout. Ah. c'est dans quelques mois ou quelques ah, semaines. merci je vous remercie. allez salut. merci Alphonse merci beaucoup merci infiniment on va passer la parole à Vincent de Lesson. Vincent Vincent est là. Vincent est là non ndox mi moom reyul kenn. ci la bokk ci la bokk ci la bokk ci la bokk ci la bokk. ndox mi reyul kenn. Bon, on va passer la parole à notre cher camarade Moussa Sow, l'infatigable patriote. Euh, salam alaikum, Balobi. Euh, merci beaucoup, Tisset Tewaï. Je pense que quand on parle de don de soi, si on s'arrête deux secondes, on suspend le temps, on contemple la nature, comment elle s'exerce sur nous, comment elle s'exerce sur nos nerfs, je pense qu'on n'aurait pas trouvé mieux comme exemple de don de soi. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un Sénégal en miniature. Quand je vous regarde, quand je regarde tout au chacun parmi vous, je vois un Sénégal en miniature. À travers vous, on voit toutes les tranches d'âge du Sénégal. Ça fait rien. Hein. On voit des hommes et des femmes. mieux comme ça. On voit toutes les régions du Sénégal qui sont représentées. J'ai envie de dire, à travers vous, on voit un Sénégal en miniature. On voit toutes les confréries, toutes les obédiences religieuses du Sénégal qui sont représentées ici. Et c'est ça, et c'est ça les patriotes du Sénégal. J'ai envie de vous parler du Sénégal en miniature. Pourquoi Parce qu'à travers vous, à travers votre regard, on voit ce qu'on appelle l'espoir. Cet espoir est incarné par un homme qui s'appelle Ousmane Sonko. Ousmane Sonko ne saurait se résumer à un Sénégal en miniature, parce qu'à lui seul aujourd'hui, il incarne ce qu'on appelle le Sénégal debout. Le Sénégal combatif, le Sénégal de la liberté, le Sénégal qui incarne nos vaillants grands-pères et grands-mères qui ont construit ce pays et qui nous l'ont légué. Et nous, nous avons le devoir et le droit enfants et à nos petits-enfants. Chers camarades, je ne saurais terminer sans vous exhorter à cette expression très chère à notre président Swansonko, qui est focus. Nous devons faire focus. Dans cette expression, j'aime bien la lettre F qui symbolise pour moi la fraternité, la fin de réussite. À travers cette lettre, symbolise pour moi la force, l'abnégation et le courage d'être debout face à l'adversité. J'aime bien la lettre O, car, chers compatriotes et chers camarades, dans les mois et les semaines à venir, nous avons besoin de faire preuve d'organisation. Nous devons être organisés dans les cellules familiales, dans les quartiers, les sections, départementales, dans les régions et dans la diaspora, pour faire face au travail qui nous attend. Ce qui m'amène à la lettre C, qui pour moi symbolise la combativité. On ne saurait trouver exemple de combativité que l'exemple que nous a montré notre maman avant-hier à Ziguinchor devant le tribunal. Nous devons faire preuve de combativité nous devons faire ah, preuve de courage. Hein, parce c'est de ça que nous avons ah, besoin ah, dans les heures et les semaines à venir. Je fais l'effort de t'aider. si, c'est que je fais, ça Non, tu ne peux pas faire. Nous bah, C'est dans l'union des corps et dans l'union des efforts qu'on va réussir à terrasser ce, monstre qui bah, s'appelle Macky et son hein, on serait dur focus dire servir. Nous devons servir ce projet. À travers ce projet, servir notre pays qu'est le Sénégal. Nous n'avons nous rien de plus cher au monde que ce pays-là. Nous devons servir notre peuple, nous devons servir notre race. À l'ère du troisième millénaire, nous devons plus courber le dos. Nous devons montrer à l'humanité que le Sénégal à travers sa jeunesse, à travers son peuple, à travers ses hommes et ses femmes qui ont des veines dans lesquelles coule le sang de la liberté, du courage de l'obligation et d'un humanisme profond que nous offrons à toute l'humanité. Chers camarades, Focus 2024 avec le président Ousmane Applaudissez, chers camarades, de s'il vous plaît tu vois c'est mieux c'est que que parce que problème hein. ils sont tombés sous les balles. donc ay ndox wala nous devons être des combattants. parce que nous avons en face une force étatique.

xam nga donc vraiment il faut qu'on fasse très attention. jaajëf waay. te am na ñu ma fi xàmmee nag am na ñoo xam ne xàmmee naa leen gis naa leen ñu tax ñoom xam dinaa leen gis dinaa wax ak ñoom bu ñu bu ñu ñëwaatul dinaa leen live dinaa tur seen tur waaw. waaw parce que ñoom ñoo fi dàqal live nag di wax loolu leen di tooñ ñoo ngi jox euh, parole bi à euh, au grand frère. monsieur Benkeloun, euh, fatigable, patriote ah, qui se bat depuis non, ça en fait avant même On l'a toujours suivi ici, on a toujours collaboré avec lui, qui nous euh, donne des informations, qui nous aide vraiment dans le combat. Et ça, c'est vrai. Moi, je peux en témoigner parce que depuis 2017, mais attends. Je, faisais corps avec, lui et, ses autres camarades. Donc Belgelou, le responsable FM4, Belgeloun, Belgeloun est là. C'est vrai fii da nga fait a bàyyi vous n'avez non belle jeune. sinon on a un. non c'est pas ça c'est pas ça. bon comme Ben n'est pas encore là il était là tout à l'heure, que il a un petit empêchement donc on va donner la parole à notre chère sœur Mariama Sagna. au contraire bon, si fi si lay. Mariama Sonko Mariama Sonko notre chère sœur Mariama Sonko qui n'a jamais mélangé aucun effort dans ce combat depuis très longtemps. Donc applaudissez notre sœur Mariama Sonko qui n'arrête pas de nous régaler lors des manifestations. Vous le savez très bien. Merci beaucoup. asalaamaaleykum maa ngi leen di di ziar euh, man sama wax du mais waxu carte yi la wax na retirer carte carte yaa ngi ci consulat yi daw leen retirer seen carte yi bu leen xaar chaque jour dee leen di dem chaque jour bu leen xaar bu ngeen eggee rek laajte leen seen carte parce ñoom des fois dañuy jël carte yi denc ko donc chaque jour boo xëyee dem chaque jour chaque jour bu ñu sonnee dañ lay jox sa carte mais bu bu ngeen demul di toog di xaar carte yi dañuy tëdd foofu rek euh, ñu préparer aussi euh, sunu. Euh, jour ñu ngi ci ñun xam nañu dañuy am ndam ndam moom chaque jour rek koy wax ndam moom dañ koy am chaque jour dañuy am ndam chaque jour yàlla daf ñuy daf ñuy won suñu bopp xam na ne ñun liggéey bi ñuy def nii du liggéeyu sàcc du liggéeyu bandi ñun ay liggéey ñuy def pour liggéey pour defar suñu Sénégal pour defar suñu Sénégal Sénégal la tax a jóg xool leen nu mu seddee xool leen seet tàng ak ñoom ñu ngi ci tàngaay ñun ñu ngi ci sedd nu mu méttee sànq ba tey mu ngi taw ñëpp a ngi taxaw. ñëpp a ngi toog pour am noonu lañ toog suñu kër yi mais Sénégal la ñu ñor ñun fii amuñu lu ñu manqué mais lépp boo gisee ñu taxaw ci sunuy mbokk yi nekk Sénégal ñoo tax ñuy xeex xeex bi di remercier nag bu baax baax baax baax baax sunu organisation bi mooy waa vigile yi ñu may leen loxo franchement seen liggéey ligue. na euh, yàgg nañ ci liggéey bi depuis 13 heures ñu ngi fi depuis 13 heures chaque jour ñooy njëkk a ñëw te ñooy mujjee dem donc di ko remercier leen di bu baax à baax may leen loxo bu baax waaw tàccu leen bu baax a baax baax voilà merci beaucoup. Merci beaucoup, sister Mariama. Euh, à travers ton prénom, je vais faire un petit coucou à notre Mariama qui est en Italie aujourd'hui, qui devrait être à ma place. Donc c'est elle. Donc c'est moi qui ai, pris sa place euh, aujourd'hui. Euh, en tout cas continuer le travail qu'elle faisait en attendant qu'elle revienne. Euh, bon, pour continuer les prises de parole, je ne sais pas si belle est là, parce que Aboubacar. parce que yaa ngi dégg. Aboubacar Bergeron ne la. attends attends sa waay bu dal la ci biir fii. sa waay mais bon il n'est pas encore là on va donner la parole à monsieur Orsec. déedéet. monsieur Orsec di woo waa ji. monsieur Orsec est là. mais yow non non waxuma la non man dama la laaj. pourquoi waa ji di toog. man la nee na journaliste la. man journaliste laa toog man dama yor. asalaamaaleykum mbooloo mi. salaamaaleykum waa Pastef. ça va les gars. sa waay pour man eh sa waay non eh, écoute man pour man sa dafa jaloux rek parce que am nga lu tax non xaaral dafa ndànk non non non du ma ko coupé du ma ko coupé dama koy bàyyi noonu am nga lu tax ba day yàq sama laay sinon ngeen bàyyi xoolal dama xool nombre de vie am ñun li ñuy filmé fii ñun ñun ñoo ëpp impact valeur

yéen a ma war a jàppale xool ah, xeex bi ñun ñëpp la xool dama lay expliqué dara non xam nga lu tax je suis d'accord avec toi je suis d'accord avec toi mais xaal dama lay expliqué même le frère qui est là-bas. Ouais. C'était comme ça. Donc dafa ñëw moom journaliste. man journaliste la. mais mais ma taxaw fii. non non doo patriote doo ma indi fii. non non yow xamoo ma man bu ma meree fii sax du ma fi taxaw. non su ma su ma meree fii sax du moo leen di c'est vrai may ma wax ak moom yow woo nga ko léegi bàyyi ma wax ak ma débat ak ñaari nit mën nga dem non man du ma a ak yow sa sa waay. léegi am na comme tey yow gis nga même waa Jalle ne lui aussi m'avait dit que moi je suis un man je lui ma ne ko de la presse xam nga ban am si étude journalistique. master en journalisme et communication là, si yor. liggéey naa ci presse du Sénégal c'est à vérifier ce que vous voyez, pour moi il manque de professionnalisme Vous leen qui kuy gérer seen i lii sinon vous allez tous les activistes qui vont bouder vos activités ils vont vous laisser tout seul ngeen. voilà parce que donc. comprenez-vous tous ñun lu ñu bañal gaay du ñu ko nangul de <laughs> na leer anu nañ man man maay responsable ci biir da ngeen may jàppal ci ci côté boobu su eh, ma demee gaay gaay la ñu def boy ñëw ngir yàlla jàppal ci sa andi sa carte bu boobaa man ko la yéen yéen xaar ma expliquer gis nga corde <laughs> dama def journaliste bu boobaa dañu féete nii ñuy def live féete nii. mais loolu bu amulee tey jii xam nga yow boo ñëwee taxaw. non non kaneen ñëw ma tere ko. est-ce que est-ce que xam nga affaire nu mu demee loolu tax ma ne sa waay dafa ingrat. déglu ma waa léegi bay a ah nga yow wax nga mais ma wax na ah, en direct ngeen nekk nii de en direct te naa ko live après naa ko live day tàng jër. leer laa leen di wax nii. waaw mais waaw dama bëgg dama bëgg non dama bëgg nga déglu ma c'est important. waa ji daf ma fekk c'est la deuxième fois mu wey ñaan pour ma filmer jamono gii ma Sagnan fee dafa bëggoon ma bàyyi sama film ma filmer pas lu Pastef ma ne ko moi je suis pas de Je n'ai ni une carte de passé. Je suis un panafricain, un activiste, un journaliste. Je fais mon Est-ce que tu vois Maintenant, même chose. je peux le faire pour une heure, maximum deux heures. Parce que Manis, dans ma page, dans ma dans ma beaucoup Les deux, léegi bu may filmé déglu ma ma woo booy bi nekk sama ginnaaw mooy booy bi di sol drapeau Sénégal ah ma ne ko jëlal booy bi ma ne ko jëlal téléphone bi sama bët ngay filmé su ma ko soxlaa ma jël teg bii ma fixé gars yi ma jël sama def tout moom mu ne ma bàyyi sama bos complètement di filmé seen bossi page alors que yéen seen bossi page vingt personnes la ñu woo kii si fii cent et quelques personnes ñoo si ne léegi ma ak moom kuy liggéey si information ku gën di muus ah ku gën si di wàllu info. léegi léegi puisque chef. Eh. yan yan léegi ma nangu ma loolu ah man ma ne ma kon wutal keneen bu fekkee lii arrangé la si la ñëwee mu ne ma kon kooku ma gën léegi ma ne ko mais man de la presse laa a taxaw kii journaliste la pour taxaw fa kii boo ko demoon tool bi lu ma yor si si tool bi presque xëy na yoru ko sax il faut parce que nit bu ko gis nii muy Moussa Mokho Lo ma demee ne n'importe quelle personne la man je refuse d'être n'importe quelle personne. il faut mu leer léegi nag lii nañ ko laaj. incha allah amul problème après da ngay invité sa laaj. Ah, ma ko invité damay laaj bomb boobu bomb gars yi yëpp xam prochaine fois. bu ñu ñëwee non yow kenn la bomb yaa ngi en direct. non sécurité yi li ma li ma bëgg mooy <laughs> képp kuy ñëw képp kuy euh, Il est ñi nekk foofu